son excellence monsieur le président de la république monsieur Macky parce que que nous que parce que nous nañ que nous avons dit, nous avons mais ba dit euh, ñu dans la fonction publique problème la. té dañu voté loi bu loi d'orientation sociale mais papier ko jël parce que nous 15 avons ko handicapé diplômé et pourtant pourtant nous avons lool pourcentage 15 dit ko euh da mënuma comprendre nak euh, ay étudiants nga jël leen di leen jox bourse ñu jàng jàng ba paré nga ne leen nga ne leen nga ne leen yeen daal bon toog leen fële parce que gis loolu bu fekkee discrimination am na ñoom moom moom moo ko moom moo ko njëkkee daal euh, parce que gis nañ ne jàppale na sax ba jàppale ay mbër dafa leen stade te yaakaar naa mbër mënul président de la république jàppale na ba jàppale na ay ay jeunes valides yoo xamante ni amuñu benn diplôme ñu mu créé benn kii tuddee ko ASP ñu fay liggéey donc kon euh, jàppale valides yi ubbi ay concours

chaque 15 jours nous ci mi j'ai eu ma maîtrise en droit caisse de sécurité sociale domaine mais donc jusqu'à présent nous nga recrutement dans la fonction publique nous ma des euh, banquiers, nous ci des des de compte des journalistes, etc. ay nous parfois déposer en ligne par mail mais euh, à 70 seen physique bi mooy déranger quoi physique bi mooy déranger mais ko da ngay gis ne ñoom soxla nañ la dañ lay contacter mais ça boo dikkee rek ba def ba def kii bi rek euh, physique bi moo leen di déranger quoi physique bi mooy déranger donc loolu moo tax ñuy woo le président Macky Sall ne ko ñun ay sénégalais lañ comme ñëpp na recruter 15 pour cent handicapés yi dugal leen fonction publique loolu la ñuy xaar ci moom xaaruñu ci moom leneen parce que gis nañ ko saa bu nit ñi wootee dina ñëw sauf les handicapés seen si xamuñu nag lan moo waral loolu man man man sama pose la question quoi est-ce que le président Macky Sall mi ngi bàyyi xel